forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Senia Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et Amphani FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningauri, Tirozirin, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel, Saï, Tanout, Madawa, Dogondouti, Dakoro et Walam notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. La conférence nationale souveraine du Niger s'est tenue du 29 juillet au 3 novembre 1991 et a regroupé toutes les forces vives de la nation. 26 ans, c'est un quart de siècle et c'est beaucoup dans la vie d'un pays. Un tel événement mérite une célébration inclusive digne de toute son importance. Le 29 juillet ne laisse aucun démocrate nigérien indifférent. Cette date marque le rendez-vous décisif du peuple nigérien avec l'histoire pour la conquête des libertés fondamentales. La conférence nationale souveraine du Niger, sans être une révolution, constitue sans conteste un repère important dans l'histoire du Niger, disait un des acteurs parmi la jeunesse qui a joué un rôle d'avant-garde. Après son indépendance, le Niger a connu différents régimes qui ont tous été incapables de prendre en charge les aspirations populaires. Jusqu'en 1990, la situation sociopolitique était particulièrement caractérisée par la dictature et la mauvaise gouvernance. En termes de force politique en présence, il n'y avait que le parti État qui faisait et diffusait les choses. Il n'existait aucune force de contre-pouvoir. Le 9 février 1990, les scolaires nigériens ont librement et démocratiquement décidé de défendre leur plateforme revendicative générale. Les autorités de l'époque refusèrent d'engager des discussions avec les scolaires au cours d'une marche pacifique organisée par l'USN face à la farouche détermination des manifestants. Le pouvoir a, choisi comme réponse une répression brutale et barbare. Ce jour-là, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Le bilan était lourd, trois morts et plusieurs blessés du côté des scolaires. Certains portent encore les séquelles depuis 26 ans. Les condamnations fusaient de partout au niveau national et international. C'était le moment choisi par le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX l'unique centrale syndicale de l'époque, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN et ses affiliés comme le syndicat national des enseignants du Niger SNEN, e le syndicat national des travailleurs des mines Centramines et bien d'autres syndicats pour entrer en action. C'est le début alors des sensibilisations et mobilisations pour passer des revendications corporatistes, aux revendications purement politiques. Pour en parler dans ce studio, nous recevons nous Mamadou Azeka. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur de la société civile, acteur de la conférence nationale. Nous attendons également des moments d'autres l'arrivée le deuxième invité qui est Sabo Seydou, homme politique, acteur de la conférence nationale. La conférence nationale souveraine était une confrontation entre les forces du changement et les tenants du pouvoir d'alors. Néanmoins, la conférence euh, s'était bien déroulée avec un examen sans complaisance de la situation sociopolitique du Niger de 1960 à 1990. Elle a permis de prendre des décisions objectives et des recommandations pour des perspectives plus reluisantes dans différents domaines de la vie de notre pays. Elle a permis notamment le multipartisme et la libéralisation du secteur de la, communication et de l'information. La conférence est donc le fruit des luttes et de tous les sacrifices consentis par les forces démocratiques pour faire de la démocratie une réalité dans la vie de tous les jours de notre pays. Nous, Mamadou Arzika, faites-nous un bref rappel des objectifs de cette conférence nationale. Euh, je vous remercie. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce eh, à Dieu, le Tout-Puissant, qui, dans son infinie bonté, nous a donné l'occasion et la chance de voir ce 26e anniversaire et eh, de cette conférence nationale historique euh, de notre, pays et qui a été l'œuvre et le fruit de la détermination réelle eh, des citoyens nigériens, du peuple nigérien dans son ensemble. Euh, il vous souviendra que la conférence nationale, avant qu'elle vienne à être euh, à, se tenir, et des événements importants ont émaillé la vie de la nation et nous étions à la, au lendemain des régimes d'exception, donc avec un régime euh, du parti unique qui venait de s'installer et à partir d'une constitution qui avait été votée le 24 euh, septembre 1989, ce qui a donné lieu à, partir de cette, cette euh, constitution, donc qui a consacré le retour à l'ordre constitutionnel dit normal. Et donc à la suite de ça, il y a eu donc les élections le 10 décembre 1989. Et donc c'était sur une liste unique de candidats, notamment les, candidats à la députation, et puis un seul candidat, le candidat qui était le président du parti, et à l'époque le général euh, de brigade Ali donc, euh, ils ont été élus à l'occasion, disons même pas d'élection. On parle d'élection quand il y a une compétition, mais à l'occasion d'un référendum pour, pour plébisciter et la liste qui nous a été présentée. Et donc, euh, et le 18 décembre 1989, ils ont été investis, notamment le président de la République avait été investi et dans, sa, mission d'être le président de la République pour un mandat de 7 ans. À l'époque, la Constitution avait prévu un, et d'élire le président de la République pour un mandat de 7 ans, renouvelable euh, une fois comme il l'a indiqué. Alors, donc, <clears throat> ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le président avait été élu pour un mandat de 7 ans. Mais euh, moins de deux mois après cette investiture, c'est-à-dire le 9 février 90, le pouvoir a, fait usage euh, abusif de, la force et, cela a conduit au massacre des, scolaires qui étaient en train de vouloir jouir de leurs droits à manifestation qui est consacrée par la Constitution. Je rappelle que la Constitution de la Deuxième République a reconnu et garanti toutes les libertés et toutes les, tous les droits de l'homme tels que reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, fort de cette conviction qu'on avait que eh, nous sommes désormais en République et qu'on n'a pas d'autre moyen de communiquer avec les citoyens autre que utiliser ce mécanisme constitutionnel qui est là, c'est-à-dire la liberté de manifestation, pour pouvoir rendre au public les problèmes qu'on avait en tant qu'étudiant à l'époque. Parce qu'on avait formulé une plateforme revendicative le 8 novembre 1989 qui avait été soumise au régime avant les, nouvelles élections. Donc, comme c'est les mêmes personnages, ils ont hérité des, des problèmes qu'il y avait depuis pratiquement euh, le régime, le enfin depuis le, régime militaire qui a été remplacé par le régime euh, comment on appelle ça par le régime civil. D'accord, président, on revient donc, pour aller vite. Et, et donc à partir de ces événements là. Donc ça a donné, ça a permis au peuple nigérien de prendre conscience de la gravité du choix qu'il avait fait celui de partir à un, euh, au système de parti unique. Donc tout de suite, la lutte a commencé et on est revenu à revendiquer le, le, multipartisme et, au-delà du multipartisme, elle est allée à revendiquer la conférence nationale souveraine pour que la conférence puisse se tenir et que lorsqu'elle devait se tenir, elle devait faire le diagnostic de la situation de gouvernance du pays depuis l'indépendance à nos jours, c'est-à-dire les 30 ans de régime passé, le régime de la Première République comme le régime, le la première phase du régime d'exception du, père du CMS et la deuxième phase avec le général Ali Chebou et le tout début de la gestion de la, de, la Deuxième République. Donc la conférence avait pour mission de faire ce travail-là et faire ce diagnostic sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et dégager des perspectives nouvelles pour une gouvernance désormais sous l'empire des nouveaux choix qui ont été formulés, ceux d'aller à la démocratie et une démocratie euh, ouverte et qui dans dans un contexte de multipartisme intégral. Donc, euh, et, cela, euh, vous vous en doutez, donc, euh, a permis à la conférence qui a pu s'ouvrir. Et malgré toutes les réticences à gauche, à droite, enfin, elle a pu s'ouvrir le 29 et juillet 1991, la conférence a, ouvert ses, ses, travaux et puis les travaux ont duré 98 jours et elle a clos ses travaux le 3 novembre. D'accord. Comment avez-vous vécu cette grande rencontre en tant qu'acteur c'était quelque chose de merveilleux. Vous le savez, c'est un événement inédit dans l'histoire politique de notre pays et même au-delà de notre pays en Afrique, c'était pratiquement une nouveauté. il y avait eu la seule expérience qu'il y avait à l'époque, c'était l'expérience du Bénin le Bénin qui avait déjà fait sa conférence nationale au mois de février 90. Donc euh, après, c'est pratiquement la nôtre qui a été une conférence nationale qui a permis de, de, comment on appelle ça, de, de, faire un grand travail. Mais je, je, rappelle que déjà avec la première phase des événements tels qu'ils ont été vécus au courant de l'année 90, d'autres pays se sont joints parce que à partir de juin 90 déjà, il y a eu la récupération française du mouvement des peuples africains, notamment à travers euh, la conférence de la Bonne convoquée par euh, le président Mitterrand à l'époque, qui avait euh, vite eu le flair de saisir l'opportunité de la situation pour être dans la position de, de faire en sorte que, comment on appelle ça, il regroupe tous les pays africains dans le cadre de la réunion de la France-Afrique pour leur dire, écoutez, désormais, nous, en France, nous avons opté pour la démocratie ceux qui veulent que nous les soutenons, et la démocratie rime avec le développement et c'est la condition du développement. Si vous ne voulez pas, euh, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne de l'aide publique au développement, il faudra bien que vous soyez d'accord à aller à la démocratie. D'accord. Est-ce que la conférence nationale était, nécessaire en ce temps Bien sûr que c'était indispensable d'ailleurs. C'était un forum utile, très utile. Malheureusement, et, je, je, bien la conférence quand on a pu la tenir, ça nous nous a quand même permis de faire le tour d'horizon de toutes les questions sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et on a essayé de révisiter les différents problèmes. On a cherché des consensus autour de beaucoup de questions importantes et, sur, tous ces aspects que je viens d'évoquer. Et on a engagé les autorités de la transition qui devaient être issu de la conférence parce que à la fin de la conférence, il était question de mettre en place des autorités de la transition, un premier ministre qui devait avoir pratiquement tous les pouvoirs et du chef de l'État et moins le titre du chef de l'État. Ensuite, les autres institutions telles que le HCR, qui est le Haut Conseil de la République, qui devait être une sorte d'assemblée eh, législative euh, de transition, en même temps avec le pouvoir de de, surveiller le gouvernement de transition parce que le gouvernement de transition était responsable devant le HCR. Et on en a fait, on a fait en sorte qu'il soit responsable devant le HCR, conformément aux dispositions de l'acte numéro 21 que nous avons été amenés à adopter à ce niveau-là. Maintenant, le problème qu'il y a eu et qui est dramatique, c'est que la conférence a pris toutes ces résolutions, toutes ces décisions, toutes ces recommandations. Et l'ensemble des décisions qu'elle est venue à prendre, aujourd'hui, si on fait le point, on va se rendre compte que la majorité des actes pris par la conférence, pour l'essentiel, n'ont pas pu être respectés. D'accord, on, on, revient d'abord sur ces, sur ces. Est-ce que vous vous souvenez de quelques-unes de ces décisions Mais bien sûr, je me souviens de toutes les décisions. Et vous avez ici, euh, avec moi, vous avez le rapport général de la conférence nationale. C'est tout ce qui a eu comme décision. Tous les actes qui ont été pris par la conférence nationale sont, résumés dans ce document. Et tout ce qui a pu être, arrêté depuis l'acte numéro 1 de la conférence nationale qui a été pris le 30 juillet jusqu'au euh, dernier acte de la conférence, l'acte numéro, et pratiquement l'acte numéro 40. L'acte 1, qu'est-ce qu'il dit L'acte 1, c'est l'acte par lequel on a proclamé le statut de la conférence on a dit que la conférence nationale était souveraine et que donc à partir du moment où on a proclamé la souveraineté de la conférence, donc la conférence a donc comme repris l'ensemble des pouvoirs en termes de légitimité et de légalité de ce que devait être euh, la conduite des affaires dans l'État. C'est pour ça d'ailleurs que et, par la suite, on le verra, euh, les, autorités n'ont pas immédiatement été déchues, notamment l'Assemblée nationale. Il a fallu une semaine après et pour dissoudre l'Assemblée, pour plus tard vers le 10 décembre dissoudre le gouvernement et puis ensuite euh, les autres institutions qui n'étaient pas euh, qui ne devaient pas continuer à, survivre et, aux, travaux de la conférence nationale et qui devaient être une sorte de gêne si elles devaient rester. Il y avait une seule institution qu'on avait gardée, c'était la Cour suprême qui avait été gardée parmi toutes les institutions du pouvoir, c'était elle seule qui était gardée intacte et qui donc devait normalement aider à garantir la continuité des. D'accord. sur les questions de gouvernance, qu'est-ce que la conférence avait, avait, avait pris comme recommandation Mais sur les questions de gouvernance, première chose, il faut noter que la conférence a consacré et, a consacré la démocratie. Elle a opté pour la démocratie comme mode de dévolution des pouvoirs. Donc désormais, le pouvoir sera euh, dévolu aux, aux, aux impétents par un euh, vote à, l'occasion des, scrutin libre, démocratique scrutins libres, euh, démocratiques et transparents. Et le président de la République devait être élu à l'occasion d'un scrutin et conformément à la constitution qui avait été adoptée parce que au lendemain de la conférence, on n'a pas pu, à l'occasion de la conférence, adopter la constitution. Il a fallu arrêter simplement les grandes lignes les grandes lignes, c'est que la conférence avait déterminé les grandes lignes fondamentales que la constitution de la Troisième République devait prendre en charge. Et cette, euh, euh, comment on appelle ça, ces, grandes lignes-là ont concerné, et pour l'essentiel, et comment dit-on, <clears throat> Ces grandes lignes ont concerné pour l'essentiel, donc, euh, ce que j'ai dit, l'option de la démocratie, le caractère pluriel, le pluralisme politique qui était consacré. Et puis maintenant, on a engagé les autorités de la transition à élaborer les textes fondamentaux. Et justement, donc, euh, le Conseil supérieur de la, Haut Conseil de la République avait sous sa responsabilité le, comment on appelle ça, le comité des textes fondamentaux. Et donc ce comité des textes fondamentaux avait la mission d'élaborer sur la base des recommandations qui ont été formulées par la conférence nationale, donc d'élaborer euh, les projets de textes, notamment le projet de texte sur la constitution, le projet de texte euh, sur, le code électoral et, bien d'autres textes euh, considérés comme des textes importants. D'accord. Donc ça avait été fait. D'accord, nous, Azika, nous venons donc de recevoir le deuxième individu qui est Savo Sedou, homme politique acteur de la conférence nationale. Monsieur Saboussidou, bonsoir. Bienvenue dans ce studio Kalangou. Kalangou. Oui. <coughs> Voilà. Vous avez été acteur de la conférence nationale. Mm. Comment vous avez vécu justement cette importante rencontre du Niger Bon, euh, il faudrait dire que euh, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, euh, ça a été le suivi d'un, disons, d'un processus euh, de lutte. Donc, toutes ces luttes-là qui ont, disons, qui ont, qui ont précédé et abouti à ce moment-là à la conférence nationale. Euh, quand je dis cela, c'est en référence au fait que euh, beaucoup d'acteurs euh, en vue, si vous voulez, de la conférence nationale étaient, pour certains d'entre eux, des éléments provenant des mouvements scolaires. et bien entendu, il y avait le mouvement scolaire à l'époque aussi. D'autres étaient euh, des mouvements, du mouvement syndical. vous savez le rôle qu'ont joué, qu'a joué plutôt la centrale syndicale parce qu'à l'époque, il y en avait une autre. Euh, d'autres, euh, sans avoir été dans l'un ou l'autre des mouvements, ou sans avoir été peut-être en vue, disons, mener une lutte, si vous voulez, ou des luttes, ou sont arrivés euh, à des, positions de lutte, soit avant, soit au niveau de la conférence nationale. Euh, si je dis cela, c'est en référence au fait que euh, les pouvoirs qui sont nés, disons le pouvoir qui est né ici au Niger, euh, à la suite des indépendances, bon, c'était des pouvoirs, un, néocoloniaux, deux, la première des choses qu'ils ont faites, une fois que les indépendances ont été dites acquises là, ça a été de euh, d'annuler la démocratie. Par exemple, c'était le parti unique, euh, la pensée unique. Et les seuls, euh, les seuls mouvements, ou le seul mouvement qui leur a tenu tête, plus tard les syndicats vont venir, c'était le mouvement scolaire. Donc ça, c'est un élément dont il faut tenir compte. Maintenant, il y a un élément, il y a d'autres éléments conjoncturels. Quand je dis des éléments conjoncturels, c'est les éléments que, au Niger, euh, de 1987, à peu près 1987, il y avait un mouvement syndical qui était devenu, ou en tout cas qui lutte pour son autonomie. On en était là quand sont arrivés, si vous voulez, des événements conjoncturels, c'est-à-dire bon, euh, le décès de country, qui a abouti à une crise du pouvoir et euh, un début, euh, ça aussi il ne faut pas l'oublier, l'entrée, disons, de ce qu'on a appelé la décrispation à l'époque, a été constitutif aussi d'un élément qui a un peu approfondi et les contradictions, disons, au sein du régime, et aussi qui a euh, fait avancer, euh, comment on appelle, euh, l'indépendance, je dirais, du mouvement syndical. tout autant que dans les universités, on avait assisté à partir de 83 à peu près, concernant les étudiants, il y a eu une répression, je dirais, terrible qui a en fait, désarçonné pratiquement le mouvement syndical, le mouvement étudiant. Euh, il renaît officiellement et ouvertement de ses cendres à peu près en 87. Donc ce sont des conjonctures, tout ça là, qui ont fait que mhm. ça aboutit à la conférence nationale. D'accord. Président nous on revient à vous. Avant que vous ne veniez, déjà, on avait parlé des décisions et recommandations importantes qui ont été prises justement euh, euh, à l'issue de cette conférence nationale. Aujourd'hui, nous, Arzika, 26 ans après, qu'avons-nous fait de notre démocratie, de tous ces chantiers à la mesure des aspirations légitimes du peuple nigérien Désolé. <coughs> Désolé, c'est la désolation tout simplement. il faut regretter que, comme le dit le grand frère tout à l'heure, il a fait un rappel des événements qui ont précédé les années 90. <coughs> Et il a expliqué, selon lui, l'ensemble des éléments qui ont concouru à la, création, à la création de la situation pour que la situation puisse euh, devenir favorable à la possibilité de pouvoir libérer les énergies et même euh, faire euh, éloigner la peur de, certaines personnes qui étaient pendant un certain temps encore embrigadées par, par le spectre de la peur, de la psychose, de la crainte de, la répression et tout ça. Et donc, euh, finalement, je vous l'ai dit, quand il y a eu les événements du 9 février, et ça a été un déclic parce que ces événements ont permis de voir que les gens ont eu le courage de décider de se libérer. Et je me rappelle encore de, la marche historique du 16 février qui a vu la mobilisation euh, jamais observée du, peuple nigérien, en tout cas à Niamey, pour aller protester, montrer la, le, refus et aller jusqu'à faire le recueillement au niveau de, comment dit-on, de, des cimetières. Mais tout ça, c'est pour dire que, pour aller rapidement, et ce sont des éléments qui ont rendu possible euh, euh, la, convocation de la conférence. Maintenant, elle a, pu, être convoquée sur la base d'un programme qui avait été pensé au départ. Et, au fur et à mesure qu'elle se tenait, la conférence, il y avait donc euh, une sorte de dévoiement et insidieuse, et j'allais dire, qui avait été observé où on constatait donc certaines personnes, certains groupes, certains tout qui étaient au départ. D'accord, président, ça c'est l'historique. On revient à la question. Je dis, qu'avons-nous fait aujourd'hui après 26 ans de cette démocratie Bon, ça, c'est un bilan que tu me demandes de faire de ce que c'était. Mais moi, je dois, avant de dire ce que c'était, on doit dire aux Nigériens qu'est-ce qu'on avait pris comme décision. C'est sur la base de ces décisions-là, chacun peut faire son bilan. Parce qu'aujourd'hui, il ne m'appartient pas, moi, de faire le bilan de la compétence que d'autres aujourd'hui vous diront qu'il n'y a pas meilleure chose que la conférence et qui a été, qui leur a donné l'occasion de tromper tout le monde et de réussir à être ceux qui sont aujourd'hui. Tous ceux qui sont au pouvoir, pour l'essentiel aujourd'hui, c'est le, c'est c'est le produit de la conférence. Ce sont les gens qui ont pu se, faire voir à la conférence et qui ont pu être révélés à la conférence. Et bon, voilà, aujourd'hui ils sont au pouvoir, mais eux, la conférence n'a servi qu'à les aider à être au pouvoir aujourd'hui. Mais, mais, tout en considérant que et tout ce que la conférence a pris comme décision, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On aurait pu espérer qu'avec eux, si réellement les gens étaient, avaient partagé la conviction qui était celle des initiateurs du mouvement qui a conduit à la conférence nationale, si réellement il y avait de la conviction dans ce qu'il faisait, mais on n'allait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous vivons de façon dramatique des choses inimaginables qu'on ne peut pas penser que ça aurait pu avoir lieu et 26 ans après la conférence nationale et surtout avec des, acteurs qui qui auraient été des dirigeants des comment on appelle ça de ces mouvements là vous ne pouvez pas imaginer ça. Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez certaines décisions à l'époque, je me rappelle, quand on faisait la diatribe contre le régime de RDA et le régime de, militaires, on a parlé de la corruption, on a parlé de l'enrichissement illicite, on a parlé de la dictature, on a parlé de tout, on a parlé de l'impunité. Mais aujourd'hui, on est dans quoi la situation qu'on vit aujourd'hui, oh, c'est inimaginable. Avant, il faut faire peut-être 10 euh, ans avant de faire une villa, une petite villa de peut-être F4 ou F5. Mais aujourd'hui, en six mois, les gens vous montrent des, bunkers. D'accord. Ça vous, c'est d'où est-ce que vous partagez ce même point de vue Sur quoi, par exemple Sur la question, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui dans la démocratie Bon, euh, on en a fait ce qui, <laughs> ce qui est là. Qu'est-ce qui est là euh, Ce qui est là, c'est que euh, d'abord, il faut savoir, disons, qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui est ressorti de, la conférence nationale. Euh, ce qui est ressorti, euh, c'est un, euh, la liberté d'expression. Ça, c'est quelque chose de cardinal. je pense que tout pouvoir qui s'attacherait à revenir là-dessus échouerait. Parce que d'autres déjà ont échoué mm-hmm. là-dessus. Deuxièmement, on a euh, euh, promu le multipartisme intégral. Euh, troisièmement, on a mis en place, disons, les institutions d'un État de droit. C'était ça essentiellement les travaux de la conférence nationale, disons, au sortir de la conférence nationale. Maintenant, vous savez, il y a une chose aussi, c'est que euh, ça fait 26 ans. Euh, dans ces 26 ans-là, euh, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été accumulées. Et il y a aujourd'hui, à mon sens, des choses à revoir concernant. C'est-à-dire, on, on est, 25, 26 ans, c'est plus qu'un quart de siècle. En un quart de siècle, il y a euh, forcément des étapes euh, qui doivent être franchies euh, pour améliorer, rectifier un certain nombre de choses concernant le, que ce soit le multipartisme, le machin à la presse ou euh, les institutions. Et euh, aujourd'hui, euh, ce qui ressort, disons, de tout ce qui se passe, c'est que, en gros, sur beaucoup d'aspects, on n'a fait que du surplace. On n'a pas trop évolué On n'a pas trop évolué. En particulier, je ne pense pas que euh, en matière, euh, disons, d'évolution de, la traduction dans les institutions de la mentalité, on n'a pas beaucoup évolué. Euh, ça, c'est un, point. deuxième point, sur certaines questions qui étaient latentes depuis la conférence, notamment en matière euh, d'utilisation des ressources. J'appelle ça utilisation des ressources, que ce soit les ressources humaines ou euh, les ressources matérielles ou financières. Euh, on, on, fait que du surplace. place. par exemple, l'une des idées cardinales de la conférence nationale, c'est la question de l'utilisation des compétences des cadres. Vous voyez que sur cette question-là. On a plutôt même régressé. Parce qu'aujourd'hui, euh, la seule qualification entre griffes, euh, pour, disons, qu'on demande d'un cadre, c'est son allégeance, je ne dirais même pas politique, mais politicienne. Ça passe sa compétence. Et c'est un gâchis terrible de ressources que ce soit dans l'administration territoriale, que ce soit dans l'administration, euh, on appelle, euh, centrale, que ce soit, disons, dans l'administration des entreprises, etc. Vous voyez, euh, ça, c'est des choses qui se sont accumulées et qui ont atteint un point aujourd'hui où, bon, c'est vraiment le, pire, quoi. D'accord. Nous, nous, on a commencé à l'évoquer. Mmh. Est-ce que, ne serait-ce minime soit-il, est-ce que l'esprit de la conférence nationale est respecté aujourd'hui, surtout que depuis 26 ans, ce sont des acteurs de cette rencontre qui gèrent le Niger qui dirigent le Niger, du moins, euh, donc qui font vivre cette démocratie pour laquelle des Nigériens ont été sacrifiés. quand je vous ai dit que niveau de la conférence, euh, ce qui est très euh, disons les aspects les plus importants, je vous les ai cités. J'ai mis la liberté d'expression. Euh, c'est que au niveau, euh, je dirais, du peuple nigérien, ça là, c'est ancré. C'est-à-dire, on a passé trois mois à faire une conférence. Dans d'autres pays, par exemple, comme au Mali, ils n'ont plus que 15 jours. Dans d'autres pays, ils ont fait moins, en tout cas. Il n'y a pas un pays, peut-être, il n'y a que le Togo, le, à l'époque le Zahir, la République démocratique du Congo, qui euh, nous ont dépassés en temps. Mm. Mais c'est pour d'autres circonstances. Nous, c'est de par son propre fait que la conférence est étalée sur trois mois. Ces trois mois-là ont été euh, des mois euh, d'intense éducation, de prise de parole. Et ça, là, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Maintenant, que ça soit traduit euh, par les acteurs qui sont au devant de la scène ou que ça ne soit pas traduit, c'est là. C'est là qui est le plus important, à mon sens, du peuple nigérien. C'est-à-dire ce fait que il a droit à la parole, il a droit à participer, il en est conscient et chaque fois il le rappelle. Et quel que soit le pouvoir qui oublie ça, ou qui fait euh, de telle sorte qu'on revienne là-dessus, on ne peut pas revenir. Mais aujourd'hui, il jouit de ce droit. Et le peuple jouit de ce droit. Euh, le peuple jouit de ce droit. Maintenant, si vous voulez, vous avez des, comment on appelle, des, euh, des voies par lesquelles ça passe. Mais le peuple jouit de ce droit même s'il lui est refusé, il y a des manières de contourner qui font qu'on acquiert ce droit-là. D'accord. Nous, Arzika, peut-on avancer que les institutions ont été capables de transformer en réalité les aspirations de justice et d'égalité des citoyens nigériens aujourd'hui Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez entendu ce que le grand frère vous a dit. <coughs> Je rappelle que lui, il était la mémoire de la conférence. C'était le rapporteur général de la conférence nationale. Et c'était lui par la suite qui était devenu le, rapport, le secrétaire général du Haut Conseil de la République. Donc qui a suivi tous les travaux qui ont été faits durant la transition au titre du rôle du HCR pour surveiller la mise en œuvre par la transition des décisions qui en étaient issues de la conférence nationale. Certaines ont pu se faire appliquer, d'autres pas. Même moi, euh, avec eux, donc il y a le rapport qui est là, qu'ils ont pu rédiger. Ce document que je tiens à la main, c'est un document qui est le produit du travail qu'ils ont fait et pour pouvoir justement essayer de, de, résumer l'ensemble de tout ce qui aura été la, les décisions prises par la conférence nationale. Ce qu'il y a, j'ai dit, de très grave et qu'il faut absolument retenir, c'est que et les acquis de la conférence nationale, certains ont été allègrement piétinés. Et tout ce qu'il vous a dit aujourd'hui sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la qualité de la gouvernance, ça, on a écrit, on a dit, mais jusqu'à présent, ça Par tous les régimes qui sont succédés après bien la conférence sûr, on est en train de parler par tous les régimes qui sont succédés, mais il faut surtout considérer que le régime qui a succédé à la conférence, c'est le régime de l'AFC. L'AFC, ce, sont des, éléments des forces vives de la nation, avec euh, comme président Momo Ousmane et comme premier ministre Mahmoud Dissouf, mmh. Les premières mesures qui ont été prises, notamment sur le plan économique, et où la, conférence a rejeté le pass. Elle a rejeté le programme d'assurance structurelle. Mais eux, ils l'ont ramené. Déjà depuis la transition, on était en train de ramer à contre-courant des décisions de la conférence. Parce que la conférence a engagé le gouvernement de transition à élaborer ce qu'on a appelé le PREF, le programme de redressement économique et financier, qui devait s'asseoir sur les fondements des engagements que les partis ont pris, notamment en termes de sacrifice, où on prévoyait de faire un fonds de solidarité et tout, et élaborer un programme d'ajustement structurel à visage humain, c'est-à-dire qui ne serait pas celui de la Banque mondiale, mais la nécessité de faire le sacrifice était effectivement partagée par tout le monde et qu'il fallait prendre des mesures qui sont là pour pouvoir essayer de redresser là-bas. Mais cela n'a pas été. Donc, c'est parti comme ça. Le régime de l'AFC, c'est avec le régime de l'AFC, avec Mamadou Dessou comme Premier ministre et, et, et comme président, qu'on a élaboré la loi sur la privatisation. La, loi, la première loi sur la privatisation des entreprises publiques et tous les reste, c'est eux qui l'ont fait. Donc, euh, qui, était en fait une application du programme d'action structurelle. Ensuite, ça a été achevé avec, euh, le, comment on appelle ça, lorsqu'il y a eu la cohabitation, déjà le retour du MNSD avec la cohabitation, plus l'arrivée de Barré, bon, c'était parti, c'est fini. Donc les gens ont mis totalement de côté les questions de la prise de position de la conférence par rapport à, au programme d'assurance structurelle et ça a été. Autres mesures qui ont été prises et qui n'ont pas été respectées, j'avais dit ça avant-hier, c'est par exemple l'acte numéro 32 de la conférence. Je pense que le grand frère s'en souvient l'acte numéro 32 de la conférence nationale, c'est l'acte par lequel la conférence avait décidé, à, la, suite d'un débat chaud qui avait été fait, et où des, personnalités comme le président actuel, comme d'autres, comme Idi Omar et autres, ont pris parole au sein de la conférence et ils ont amené la conférence à prendre la décision de dissoudre la garde présidentielle. L'acte numéro 32 a été un acte par lequel la garde présidentielle a été dissoute. Mmh. Et que et, euh, donc le gouvernement de était, engagé à mettre ça en application sous la surveillance du HCR, mais jusqu'à compte tenu de la situation de la rébellion et autres qui étaient là, les gens ont passé, euh, ont commencé à regarder les questions sécuritaires et ils ont laissé tomber. L'AFC est arrivé au pouvoir, ça n'a pas été changé et puis c'est parti comme ça. Entre temps, il y a eu tout ce que vous connaissez. Donc vous avez espéré comment avec Issouf Aujourd'hui, tout, tout, le monde est, est avec ce qu'ils ont dit, parce qu'on a la cassette quand même. On a la cassette. La cassette euh, des positions qu'ils ont prises à la conférence, de ce qu'ils avaient annoncé comme argument pour qualifier la guerre prétorienne que Kuncha avait instituée, parce que Kuncha était arrivé au pouvoir par la force, et pour se protéger même de ses propres frères d'armes, il lui fallait avoir euh, des, trucs de, de suivi, assez, parce qu'il n'est pas venu par la volonté des gens. Mais un régime démocratiquement élu, quand quelqu'un est élu démocratiquement, normalement, il ne peut pas avoir peur du peuple il doit être un homme euh, comme un poisson dans le, peuple, dans l'eau. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous voyez bien que ce qui se passe et qui est très très grave, je le dis parce que j'insiste au 26e anniversaire, ce qui se passe qui est pire, c'est le comportement actuel de la garde présidentielle qui fait que quand le président, qui malheureusement se trouve toujours en déplacement, on est en temps d'insécurité. Oh, mais nous, on n'est pas en insécurité les Nigériens ne sont pas en insécurité, c'est eux seuls qui sont en insécurité. Et s'il y a insécurité, ce n'est pas les citoyens qui menacent la sécurité du président, c'est eux. ce sont les gens en armes qui peuvent menacer le président, c'est pas nous. Nous, la seule manière pour nous, si c'est menace, c'est comme on a fait au temps de Je vous ai dit Cheb a été élu pour un mandat de sept ans. Mais on a utilisé nos bouches et nos pieds pour organiser des manifestations, des, débats et autres, jusqu'à finir par amener son régime à accepter d'aller à la conférence. Et à l'occasion de la conférence, on a réduit son mandat, on a décidé et ce qu'on a pu décider, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, si le, si le, un président démocratiquement élu a peur de quelque chose, c'est des militaires qui l'a peur, c'est des, forces de défense et de sécurité qui l'a peur, et non des citoyens civils, où on va dire aux jeunes de se tenir à 100 mètres du goudron où passe le président, parce que, mais avant, avant il y a combien de présidents qu'on a eu D'accord, merci président. Euh, monsieur Savo Sédou, mm. les hommes et les femmes auxquels la démocratisation a tout donné, si on peut le dire, y compris vous, s'emploie-t-il à préserver ses bases, à savoir la tolérance, la contradiction apaisée et les libertés aujourd'hui euh, Quand vous posez la question comme ça, moi je dis si c'est moi oui. <laughs> Donc, moi oui, c'est ce que je, me fais. Et, les autres Maintenant, les autres, si vous voulez, euh, quand vous posez des questions comme ça, euh, Bon, c'est des questions où chacun va répondre en fonction de, son tempérament. Si on, relie la question justement au tenant de pouvoir aujourd'hui. Moi, ce que je. Par exemple, pour prendre, disons, l'exemple sur les forces de défense dont il a parlé, euh, c'est qu'au niveau de la conférence, euh, il y a des travaux et euh, dans ces travaux-là, euh, l'essentiel c'était de faire que euh, l'armée et, toutes les forces de défense et même de sécurité soient ou reviennent au service du pays, au service des citoyens de la République. République. C'est ça l'idée. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette idée-là, l'une des idées cardinales de la conférence, c'était de faire de telle sorte que il n'y ait plus cette possibilité que qu'avait l'armée euh, de prendre le pouvoir en faisant de telle sorte que, par exemple, qu'il y ait un équilibre entre les différentes forces de défense. Ça, c'est un. Euh, deuxième élément, euh, du point de vue de. Il y avait une idée dans la conférence, du point de vue de, l'emplacement des forces de défense, par exemple des camps militaires. Euh, il était plutôt question de faire que les camps militaires soient plutôt ailleurs que dans les villes. Oui, absolument. En particulier, vous savez, euh, tous les coups d'État qu'il y a eu au Niger, c'était des coups d'État où il y a une force là. On appelait ça à l'époque la CA. Vous savez, l'emplacement de la CA là, jusqu'où, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais je peux comprendre qu'on les a déplacés, c'est directement, ça vise directement la présidence de la République. D'accord, merci. Et ils ont été, je viens, ils ont été toujours décisifs. Et l'une des idées cardinales de la conférence nationale, c'était que tous les camps militaires qui sont dans les villes soit répartis D'accord, merci, merci Savo Sedou. Le débat, le est passé, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Mm. Nous sommes <laughs> malheureusement au terme de, de, ce, débat sur la conférence nationale. Mm. Euh, on est donc au terme. Merci. Je rappelle que nous avons eu comme invité, nous, Mamadou Arzika, acteur de la société civile, acteur de la conférence nationale, Savo Sedou, acteur politique, acteur de la conférence nationale. Rendez-vous demain, donc à partir de 18h15 avec Mokhtar Hamadou et ses invités pour un autre forum du studio Kalangou sur l'indépendance. Voilà, merci madame, monsieur, c'est à une autre fois donc.